rapport à ce que le conseil constitutionnel euh, ce qui s'est réellement passé donc attention le conseil constitutionnel n'a validé ni la candidature d'Ousmane Sonko ni celle de Barthélémy Diaz mhm. def le conseil constitutionnel la candidature d'Ousmane Sonko de aussi candidature bu Barthélémy Diaz euh, du côté de la régie exactement leneen itam mooy Arfan le conseil constitutionnel ni ki li nga xam que moo le 10 octobre euh, ni ki de euh, dafa rejeté ñaari recours yoo xam ni itam ñoom dañoo jàpp ni ña ko déposé waruñu koon déposé bokk na si ànd liggéey suñu réew mi nga xam ni itam moo daal déposé recours contre ki nga xam que moo di Barthélémy Diaz bokk na si si takk wàllu Sénégal bi nga xam itam moo daal déposé recours contre ki n'a xam nekk moo di Ousmane Sonko alors nous nous objectif que dans ces décisions le conseil constitutionnel devait préciser les raisons pour lesquelles les recours ont été jugés irrécevables Madame, euh, vous juger que modi recours déposé parce que selon article 182 bu code électoral bi Seul le ministre chargé des élections est habilité à saisir le Conseil constitutionnel sur la question de l'inéligibilité des candidats madame seul le ministre bi est chargé d'organiser l'élection. yi moom kese saisir le Conseil constitutionnel par conséquent Anne euh, ligue suñu réew ak ou à Sénégal yi nga xam itam ñoo déposer recours le Conseil constitutionnel conseil constitutionnel recevoir ou nga que donc par conséquent d'après le conseil constitutionnel ten déposé ou li que recours mais le conseil constitutionnel est que wul exactement si cas Barthélémy Diaz ni est ce que exactement sur le cas d'Ousmane Sonko donc le conseil ce que que exactement C'est article 182 code électoral bi à défaut de cette saisine la candidature est automatiquement accepté. Madame le ministre chargé des élections c'est exactement le conseil constitutionnel amul ben recours bo xamni ni dugal par conséquent si ça si la accepté exactement la candidature de Songo Sonko ak la candidature bu Barthélémy Diaz les recours déposés par les mandataires des deux coalitions ont été considérés irrécevables, exactement. Mhm. Euh, n'ont pas été considérés recevables car ils ne provenaient pas de l'autorité compétente. Du autorité bi, mhm. à savoir la direction générale des élections, rattachée au ministère de l'Intérieur. Il est important à souligner que ni le Conseil constitutionnel valide ou invalide aussi la candidature de Barthélémy Diaz et Ousmane Sonko. Cette instance seule habilitée à effectuer sur la validité des candidatures déposé exactement li nga justement recours en conséquence Ousmane Sonko ak Barthélémy médias bataille tey mën élection parce que c'est un dossier li le conseil euh, constitutionnel euh, non la direction générale des élections donc validé sur 48 41 Djalnen, y compris justement la liste de Barthélémy médias c'est important à préciser à fond oui xam nga Sëñ man je sais que le ministre même chargé des élections, le ministre de l'Intérieur, il s'appelle comment ça donc, Jean-Baptiste. Euh, Jean je sais qu'il ne va pas saisir euh, le Conseil constitutionnel pour invalider la candidature de Barthélémy Diaz ou bien de Kenan à Kenan. Je sais qu'il ne va pas le faire. Hmm. Parce que même, vous faites qu'il est dans ses droits aujourd'hui, comme il l'a dit le Conseil constitutionnel, seule l'autorité compétente qui est habilitée à saisir le Conseil constitutionnel pour d'éventuels rejets de, donc, de candidature. Maintenant, vous faites que le ministre Sibopom m'a saisir le Conseil constitutionnel pour ça que invalider candidature Yambour. Lolo yon mm-hmm. Mais je sais que le ministre là, il va pas le faire. Mm-hmm il va pas le faire parce que beaucoup de faits. même même voilà exactement non seulement weesu même beaucoup de faits ont ça. dañuy ni que dafa far au pouvoir le parti au pouvoir comme nous ñu koy waxee ni que. sommes hmm. euh, au ko parce que gis nañu fi ay non il faut ñu changer le ministre il faut ñu jël élection nous ko ci loxoom parce que wóoluwuñu ko tu vois c'est tout à fait normal avec quatre opposants. maintenant imaginez aujourd'hui nous, ne la ministre Bobo. dafa saisir le conseil constitutionnel pour invalider la candidature de Barthélémy Diaz. qu'est-ce que ça va être hmm. même si le ministre il est dans ses droits hmm. mais Daniel, mom moom dafa far moo mu mu mu bëgg xañ kee dem élection je li ma wax rek dama né nañu bàyyi ñëpp dem ci élection yi hmm. bu ñu démé ci élection yi qui ku mën sa morom nga gagné comme ça d'autres amati benen lay nit du tax du taxaw di nan non parce que ni lañu rejeter rejeté wala sama liste bi lañu rejeter rejeté wala sama liste départementale bi lañu rejeter rejeté moo ñu gagné ñu man bëgguma lolu ci élection yi dama bëgg mu transparent mu leer nañ ñi buñu naré gagné ñu gagné ñi buñu naré gagné ñu gagné élection lolu la fay leer nañ ba paré transparent je crois que ñom lu ñu doon xex ci jamono Macky Sall à PASTEF wala la la mouvance présidentielle ñom dañu doon xeex pour élection bu transparente ku mën sa morom nga gagné. Hmm. je crois que ñom ñu ngi ci lancé bobu hmm. tay bu ñu demee ba dindi parrainage bi né ñepp mu war nañu dem ci élection directement au suffrage direct ñu de madame dem de dem ñu né duñu rejeter candidature jambour le ministre bopam sa du auto séjour ci candidature jambour donc madame ou à PASTEF wala la mouvance présidentielle dañu bëgg ñëpp dem ci élection yi. donc ñu doon Jim recours bi. ñu leen euh, doon jiiñ ñu leen doon jiiñ ñoom Pastef recours bi. légui l'histoire a donné raison à Pastef. l'histoire a donné raison à Pastef bo gisé ma wax ko parce que dañu ne Wa Pastef ñoo nekkoon ci ginaaw entité bobu and hmm. sàmm xaw ma suñu hmm. suñu ko euh, donc dañu ne wa Pastef ñoo nekkoon ci ginaaw ñooñu pour ñooñu mëna def recours contre Barthélémy léegi l'histoire a donné raison à Pastef moi dañ leen parce que bu fekkee dañu ne tey le ministre chargé des élections moo mën auto autosaisir wu pour ñu xañ nit bokk ci élections yi te ministre bi defu ko donc mënoo taxaw nga ne non waa Pastef ñooy ruumandaat loolu. Hmm. je ne défends pas waa Pastef mais boo defee lu loo xamante ne ñii ñi gisuñu ko ci ñoom. mais dañuy ne yéen yéen attention yéen a ngi tooñ ay nit. alors c'est clair yéen a ngi euh, parti euh, boobu. donc enfin ça veut dire que ni mm-hmm. Euh, le Conseil constitutionnel n'a ni confirmé la euh, candidature de Bartolimidiaz, Donc, ce que l'autorité compétente de déposer allait Exactement. être rejeté. C'est ce que j'ai dit. Mais pourquoi le ministre ne l'a pas fait C'est parce que nous, dañoo yaakaar ne dañoo jàpp ni que war ñëpp war nañu dem ci élection boobu mënoon na ko def génn ko si liste yi ba DG e du ko jàllale euh, euh, même su rëccoon sax DG e, <laughs> oui le ministre de l'intérieur tamit mënoon na ko def parce que amoon na ñaari avantage peut-être pour xañ ki nga xam ne que moo di euh, dama ne candidature Barthélemy Diaz moo ko wax Aïssata Tall Sall ci jamono Macky Sall mu ne ko tu sais que man je ne suis pas je ne suis pas je suis pas réglo ok mooy maanaam moom dossier dafa entaché wu ci ci ci ci problème boobu moom ak Ndiaga Diouf. Hmm. moom Barthélemy Dias xamoon na loolu. parce que elle il l'a dit à l'ancien garde des Sceaux Aïssata Tall Sall te Aïssata Tall sal jamono boobu mu mën a jël autosaisir woo le ministre de l'intérieur ci jamono boobu sàkku ci moom pour mu retirer ko mais defu ko donc sagam moom xam na ko <laughs> donc du ñun sénégalais ñoo koy wax. pourquoi le ministre Jean Baptiste Tine ou wala déposé un recours mom ne xam pourquoi la euh, le garde euh, le garde des Sceaux Ousmane Diagne. Hmm. sakoul ci le ministre de l'intérieur pour ñu guenné Barthélémy Diaz, candidature ñom ñoom ñoo xam lu tax defuñu loolu. parce que entre temps dama né ñom daño yaakaar ni que nous war nañu dem ci élection yi. Hmm. c'est ça la transparence hmm. Pastef ak lo leen ta waxal ñom daño nangu ni que ñëpp war nañu simeeku dugg ci géew gi bëri ak ñoom. ils sont pas là en train de de sélectionner comme Macky Sall nu mu doon sélectionner candidat yi loolu tamit jiko Macky Sall nañ ko ko waxal. Hmm. fi ku def ñu wax ñu wax la ko. Macky Sall dafay sélectionner ay mbër kii moo war a bëri ak moom ki du bëri dafay sélectionner ay candidats mais té la mouvance présidentielle Diomaye n'a pas sélectionné des candidats il a dit ne ñëpp dem ci élection yi il l'a dit ouvertement yàgg na soutenir mom Bassirou diomay fay dafa ne na ñëpp dem ci élection yi il y a pas de choix du ñu choisir fi candidat ki mo wara dem ki mo warul bok ko am droit am caution bu muy fayé pour dem élection nañ ko bay mu dem ci élection yi te mom lañu gis ni mo dama ne la sans sans tabou parce que il y a aussi les sénégalais ñom ñoom si Ken, es du la waxuloo lola lu baax bu fekkee yow tu vois le mal partout ken du fexé ba nga gis euh, di bien. Mm. moo tax ma la bu fekkee ñun dañuy gis di bien diko analyser képp ku waxal Pastef lu dul que Pastef dafa bëgg ñëpp demal dem ci élection yi moy waxalo ko jàmm waxalo ko lu mu def. alors c'est clair exactement. c'est ça la réalité parce que tay bo gisee mané Pastef ñom ñoo nek au pouvoir. Mm. té sélectionné wuñu benn candidat. dañu ne ñëpp na ñëpp dem ci élection yi. ak ñu leen di doon sax tuumal sax taxer leen de tous les noms d'oiseaux bàyyi leen bàyyi nañu seen candidature jall c'est ça une Fallou c'est ça la démocratie la démocratie warul yem ci ay këyit wala ci am démocratie c'est nga koy démocratie da koy le salut revient au président de la république parce que nous, nous de faire comme Macky sélectionner un candidat tous. alors c'est clair mais il a laissé tout le monde aller à ces élections là. alors donc mention spéciale à lui. alors exactement donc euh, il est important de souligner que ces recours. Euh, a été rejeté le conseil constitutionnel nag validé le euh, candidature il dafa jaar dafa bàyyi rek yëpp daal di dem comme ni ko DG daal di euh, defee moom nag seule cette instance qui est habilitée à statuer exactement cela la des candidatures te que saisiruñu ko exactement donc de Camara et compagnie décision bob leen dit di ni si wàllu wu exactement mais avant lii bien benn élection su amee débat bi day ñëwaat boobaa nag élection présidentielle Euh, ñu ne euh, li que modi candidat am ñu saisir parce que les dafa li que modi et que c'est euh, c'est important à préciser le conseil constitutionnel donc a rejeté tous ces deux recours il conserve la pleine autorité de valider de valider ou non les candidatures avant les législatives en tout cas la décision finale sur la participation de Sonko à Barthélémy Diaz reste encore en suspens en attendant l'application des listes définitives enfin a il y a euh, yëf yi mi en suspense en à la liste euh, en à l'application des listes définitives donc c'est important à préciser mais est-ce que le conseil constitutionnel moom mën auto auto auto autosaisiru vu que yëf en suspense bataille en en c'est en personne. xam nga sëñ les gens dañoo tellement d'aller en besogne parce que Hibari, Dembo la commencé oui le conseil constitutionnel a rejeté les recours oui le conseil constitutionnel a validé Barthélémy Gaz, a validé Ousmane Sonko les gens ont commencé à spéculer hier sur ça alors que Mama hmm. il n'y a aucune liste validée définitivement officiellement ñu ne la candidats c'est important à préciser mais tu vois les Sénégalais ils en parlent depuis hier oui on a validé Barthélemy Diaz ana ñu wax ni Barthélemy Diaz du jàll Bay nañ ko mu tu vois. Hmm. alors que le conseil constitutionnel n'a pas encore publié la liste finale des listes des listes des listes validées. Euh, tu vois c'est clair alors concernant le conseil constitutionnel euh, man dama conseil constitutionnel. Mom hmm, hmm. Kessé le droit il a largement mm. le droit d'interpréter le droit comme il veut le conseil constitutionnel té normalement candidature de bu ñëwé ci mom motax ñu né lan défar judiciaires ay judiciaire déposé ko tu sais euh, l'importance des casiers judiciaires mm. amo importance casier judiciaire mm. casier judiciaire lan lañ ñu amoo benn jafe-jafe ak yoon. boo amulee jafe-jafe da nga ko boo amee jafe-jafe tey buñ la condamné dañ koy bind ci judiciaire. alors c'est clair. que ça soit la nature de la peine que ça soit la nature de l'infraction ñoom dañ koy bind ci sa saccage judiciaire. alors merci beaucoup tey boo waxee tey ndax conseil constitutionnel mën na di autosaisir ci candidature Barthélémy Diaz mais le conseil constitutionnel bu xoolee le casier judiciaire de Barthélémy Diaz mais il a il a toutes les informations. Ah oui lan mota ñu la candidature bu ne da ngeen di déposer carte d'identité ak euh, casier judiciaire hmm. pour yow lan moo lan waral Donc rien n'est sûr et ça. Euh, rien n'est sûr. Alors c'est clair, enfin merci euh, beaucoup. Rien sûr. C'est important à préciser par rapport à que Mire Bounumel exactement. Alors, nous tam dit si Lenen, du côté de la régie exactement après.